Et la possibilité pour le Sénégal, elle illustre des plus grands principes de droit international et humanitaire et des droits de l'homme qu'ont fécondé la société internationale, de se montrer à la hauteur de son histoire en libérant M. Sonko, en le réintégrant aux listes électorales et en annulant la dissolution de son parti, le PASTEF, qui a été décidé par son principal concurrent. Ces derniers temps, ces derniers jours, nous avons reçu de nouvelles informations qui n'ont pas été versées au dossier pour ne pas retarder la procédure, qui ont amené le président de la République du Sénégal à dissoudre la commission électorale afin de la remplacer, d'en remplacer les membres par des personnes qui le seraient plus proches. Monsieur Macky Sall l'a décidé parce que la Sénat, cette commission électorale, avait enjoint la Direction générale des élections à réintégrer Monsieur Sonko dans les fichiers électoraux et lui permettre de participer à ces élections. La Sénat l'avait fait parce qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor, avait eu le courage, dans un contexte d'intense répression, de dire le droit et de demander que M. Sonko puisse redevenir électeur et candidat. La Direction générale des élections, sur instruction ministérielle, s'y est opposée. La Sénat l'a juin, Elle a été dissoute. C'est aujourd'hui dans ces circonstances que nous avons à plaider devant vous et à demander à la Cour communautaire d'intervenir afin de s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois, à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en référé, en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin le corps d'un homme pris dans une lutte qu'il n'a pas recherchée ni souhaitée, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêché d'aller et venir, empêché de s'exprimer, et dont la condition physique est particulièrement précaire. Monsieur Sonko a eu le courage, en effet, de faire deux grèves de la faim. La première l'a porté au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci tombait dans un coma profond, avec un coefficient de Glasgow de 3 sur 15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, monsieur de la Cour. Il a survécu, et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau pour protester non seulement de sa condition, mais également de celle de détenues femmes, dont Fala Fleur, elles aussi détenues pour des motifs politiques, pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance et à se retrouver dans l'impossibilité de tenir des propos cohérents, comme l'a attesté là encore non seulement un certificat médical, mais le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même dans un courrier qui a été adressé à Madame la ministre de la Justice. En ces conditions, c'est non seulement des droits formels qu'il vous est demandé de sauvegarder, mais aussi la vie d'un homme. La vie d'un homme qui s'est engagé et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui gangrenait une partie de l'État dans lequel

Euh, dem su beneen côté bi c'est-à-dire les du Sénégal ku su mel ki nga xam nekk moo di Yoro euh, Moussa Euh, Yoro Moussa Diallo euh, dal na bu baax a baax si kaw ki na xam nekk moo di Ousmane parce que jàpp na ni itam ëmmateeg manifestation yi lépp li nga xam ne itam gis nañ ko fi si euh, noddam la nga koy daal di teg di ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko donc côté de la régie ñu dem déglu li nga xam nekk moo di l' avocat de l' du Sénégal di ki na xam nekk moo di maître Yoro Moussa Diallo ñu daal di xool itam yan kàddu la daal di ñëw pour daal di koy li nga xam nekk moo di. démonter Lina nga que les avocats euh, d'Ousmane Sonko. sa réaction c'est à suivre dans quelques instants. le Sénégal a des fondements solides. le Sénégal respecte les droits de l'homme. Le Sénégal est un État démocratique et le Sénégal est un État de droit, Monsieur le Président. Ça, on ne reviendra pas. Ce qui leur a permis aujourd'hui de venir devant cette Cour de justice. Sur le, la réintégration sur les listes électorales, Monsieur le Président, on vient de vous dire que récemment, le Président a pris un décret pour enlever des gens, pour les remplacer Monsieur le Président, je pense que quand même, euh, il faut dire la vérité. Euh, les membres du Sénat, certains membres du Sénat ont eu leur mandat, qui, ont Monsieur le Président, ils ont expiré leur mandat. Le président n'a fait que remplacer par un décret les personnes qui plus le droit à exercer ce mandat. Vous-même, vous, l'avez rappelé ce matin dans une affaire. Un mandat, c'est un mandat. Si, vous n'avez plus le droit à avoir à exercer en fonction de votre mandat, on vous remplace. Voilà ce qui a été fait. Il n'y a pas de partisan. Il a été remplacé régulièrement par des hauts fonctionnaires à la retraite qui ont exercé des fonctions et qui, ont, qui, sont plus, M. le Président, être des personnes responsables et qui ont eu un parcours exemplaire. Voilà, voilà, voilà ce qui a été fait dans le cadre de, de, la réintégration, de, remplacement des membres de la Sénat. M. le Président, on vous dit également que la Sénat a donné injonction à la direction des élections pour réintégrer M. Manson pour ce qui est archi Ça n'a jamais été le cas des lettres qui ont été échangées et des... Jusqu'à présent, on ne peut pas vous dire dans le contenu de cette lettre-là que c'est des injonctions qui ont été faites. D'ailleurs, ils ont repris pour demander cette fois-ci à la Sénat de donner des injonctions, M. le Président, euh, à la, Direction générale des élections. Ce qui veut dire que ce n'est pas cette lettre-là qui contient ce qu'ils viennent de dire. Monsieur le Président, ils ont également dit qu'il faut remettre le parti sur pied, le parti passé. Monsieur le Président, nous sommes dans un État démocratique un parti doit respecter les règles de l'État. Quand un parti, et on l'a suffisamment démontré dans nos mémoires, dans nos conclusions. Quand on se met à faire un appel à l'instruction, quand on appelle les gens à aller déloger un président de la République régulièrement élu, pour lui réserver le sort de Samuel Do, Monsieur le Président, un parti qui se met en marge des règles qui sont établies n'est plus un parti valable dans société. Un parti qui ne qui, autorise, M. le Président, ces formes de violence, un parti qui n'exerce pas dans le cadre de la légalité n'est plus un parti politique recevable dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle l'État a pris ses responsabilités et par un décret, le parti passif a été régulièrement dissous avec des arguments juridiques. Aujourd'hui, ils vous ont dit qu'effectivement, euh, que effectivement au Sénégal, rien n'est respecté, mais pourtant, ils ont introduit un recours pour de pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême qui n'a pas prêté évoqué. Ils l'ont fait la veille du délai. À la clôture du délai, ils l'ont fait la veille. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de raconter. Euh, c'est clair moom ki nga xam ne moo maître Moussa Yoro Diallo li nga xam ne itam wax na ko li tax ñu daal di décision li nga xam ne moo di parti Pastef parce que jàpp na ni itam Pastef respecté wu li nga xam ne moo euh, les chartes d'un parti waaye itam di kan exactement par rapport ak requête yi nga xam ne les avocats d'Ousmane Sonko yu déposé nañ ko fa nga xam ne itam moo di sa euh, haute cour bu CEDEAO euh, mi ngi koy daal di invité li nga xam que moo di le président euh, de la cour à ce que pour mu daal di rejeter li nga xam que moo di les requêtes yi nga xam ne itam les avocats d'Ousmane Sonko ñoom ñoo ko daal di déposé dafa nga xam ne mooy haute cour de justice bu CEDEAO kaddu yooyu la daal di yëkki moom ki nga xam que moo di maître Yoro Diallo mu daal di nekk ñiitu li nga xam que moo di les agents judiciaires de l'État ña nga foon nag doon daal di càmmaloog ak ñi nga xam ne itam ñoo daal di fare mm, si ki nga xam que moo di Ousmane Sonko donc mi ngi noonu Sonko réintégré d'interrogation ñi ngi en tout cas Sénat attaqué na cette décret bi nga xam tam président Macky Sall ko Fala Fleur libre na c'est dina daal di délibéré nak li nga xam nek moo le 17 inshallah donc mm, fii que le 17 Inshallah, va être tam même le 17 bobu le coup suprême fa seen dans taxaw si euh, cassation pouvoir jëm Ousmane Sonko donc au delà du 17 au leen daal di wala mën wax ni Sonko il sera réintégré ou pas jëm si nga xam nek moo les fichiers alors, c'est une émission sur 5 bouteilles Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie, Matra. Alors, Dylan je vous remercie. Action Programme. Merci beaucoup. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 21h, date de C'est une coupe actualité, Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, dans le talk de matinal. Bonne suite de nos programmes, notre compagnie et bonne fin de soirée à tous et à tous. Thank you. CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal, reconnu par l'État du Sénégal et la Fédération internationale des études de la France, le premier centre de formation privée au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de quatre départements. Département des sciences de la santé, département de gestion et technique, département CPS, PT, BTS, département des études internationales. Nos filières, infirmiers d'État, sage-femme d'État, assistant infirmier d'État, analyse biologique, biologie médicale, délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétariat médical.